qu'il tenait beaucoup trop le ballon lors des phases offensives, alors qu'il devait faire vivre le ballon, faire bouger ses coéquipiers. Mais il, tient beaucoup le ballon, il dribble trop et, et, ça a plombé beaucoup de phases offensives du Duc. Et surtout, surtout, Ali, l'entraîneur du Duc, il faut le reconnaître, n'a pas pu résoudre l'équation tactique euh, que l'entraîneur serbe du SLAC a posé, surtout en deuxième mi-temps. Et oui, d'ina est un élément qui a joué en faveur du Slack, c'est que ce club en était en est à sa première participation à cette compétition, donc euh, elle n'est pas euh, très, très, très connue de l'adversaire et je suis sûr que cet élément a joué à l'avantage du club de la Guinée. Mais allez, je vais rebondir sur ce que tu dis. Ça montre un peu de laxisme sud du DUC parce que l'équipe guinéenne a joué deux tours préliminaire avant de venir ici. Donc, euh, le Duc devait prendre les devants parce que c'est un adversaire qui n'est pas loin du Sénégal. Euh, et également, c'est un adversaire euh, dont les joueurs de l'équipe nationale, la Guinée et même l'entraîneur, parce que l'entraîneur du et l'entraîneur de la Guinée, ils ont joué au Sénégal l'année dernière lors d'une fenêtre. Donc, c'est des choses qu'il fallait faire à l'avance parce que l'entraîneur serbe du a dit qu'il a supervisé l'équipe sénégalaise et il savait que euh, Cheikh Bamba Diallo est l'un des meilleurs shooters que le continent compte euh, euh, sur le continent et qu'il fallait le museler. Donc ce travail-là qui a été fait par le staff technique de l'équipe guinéenne devait être fait par le staff technique de l'équipe sénégalaise. Effectivement. Et surtout, euh, l'équipe guinéenne s'est renforcée en puisant dans les réserves de la boule des joueurs expérimentés. Et Crawford en est l'exemple parfait. Et l'entraîneur l'a reconnu. Il a dit qu'il s'est reposé sur Crawford pour qu'il mène l'équipe tactiquement, euh, moralement et surtout techniquement. Et il a été ce leader-là sur le terrain, il a été meilleur marqueur du match et il a il a déterminé le tempo du match. Donc c'est au duc de, euh, le duc qui devait faire la même chose. Aujourd'hui, on l'a vu avec la Salé aussi qui s'est renforcé en prenant des joueurs expérimentés. Pour moi, quand on veut participer et surtout quand on veut euh, faire partie des équipes qui comptent et qui seront à la phase finale à Kigali, il euh, fallait faire d'abord une prospection pour le jour et surtout fallait superviser de manière sérieuse et très efficace les adversaires comme l'a fait le staff technique de l'équipe de Slack de la Guinée. Ce sont là des leçons que euh, le duc va tirer de cette euh, première défaite euh, lors de son premier match, Ali Oui, aussi il faut reconnaître que Timothée, l'équipe duc a beaucoup de jeunes qui n'ont pas la maturité de, de, ces compétitions auparavant. Et comme notre frère Seydna vient de dire, l'équipe guinéenne a eu cette maturité et le coach connaît de quoi il, a, il en veut envers eux. Et euh, ils ont dû euh, à, délivrer euh, ce, domaine que le coach a, mis à, leur disposition. Donc maintenant, on va voir si l'équipe Duke va dire, revenir avec une force mentale et, physique pour pouvoir gagner les prochain match. Mais pour moi, personnellement, je compte que l'équipe sénégalaise a une, a une bonne équipe, mais assez de jeunes, et ils doivent travailler ensemble et gagner des matchs. Et pour revenir au, match euh, du jour, euh, Seydina, donc euh, le match entre l'AS et le REG du, Rwanda, un match finalement qui s'est terminé un peu en, équilibre. Pas terminé, mais la seconde, première moitié, je veux dire. Oui, je dis que un match dont la première partie s'est terminée un peu en équilibre, puisque on est seulement à deux points d'écart. Oui, euh, euh, un match qui s'est terminé en équilibre, surtout qui s'est terminé sur une très forte intensité. Si hier on a vu que le match Duc, euh, Duc euh, euh, a été plus intense en seconde mi-temps. Ce match-là a été intense dès le départ et les deux équipes montrent un niveau euh, qui, s'ils continuent sur cette lancée, euh, peuvent prétendre aux places qualificatives pour la phase finale parce qu'ils montrent un niveau technique et tactique assez élevé, même s'il y a quelques déchets dans les phases euh, offensives. Eh bien, merci Sédina. Nous repartons pour la retransmission en direct à Dakar. Qui Elle s'est déclenchée, mais les deux horloges ne sont pas synchronisés. Ça y est, c'est désormais le cas. Alors qu'on retrouve le Mass Bay hein, c'est pas tout à fait le 5 majeur. Côté salé, Massa n'est pas là. Ah oui. Liz se cherche des solutions, comme on l'a dit, hein. il n'y a pas de meneur à titrer. Et ça arrive tout simplement avec une action individuelle, un simple écran. On libère Stoglin, ça sanctionne. Ça peut faire gagner les matchs, bien sûr, mais ça reste très très compliqué. Lui a le record du nombre de points inscrits dans un match. Terrell Stoglin avec 40 contre s Police l'an dernier. Alors que s Police tenait bien son match, l'équipe malienne. En deuxième mi-temps, Stoglin avait fait la, la chanson. Boutichou, capable de mettre des paniers à 3 points, il n'a pas de chance, pas de réussite. Kambouimanga a l'air de mieux se sentir à Denise dedans. On a beaucoup plus vu à la gestion du ballon et des possessions qu'au scoring pour l'instant. Ça explique en tout cas la meilleure impression visuelle dont vous parliez hein, du côté du REC plutôt que du côté de Salé. Oh oui bien sûr, bien sûr. Il y la, main qui va du haut vers le bas, c'est assez évident. Grosse erreur de Pichou. Ouais. Grosse, ah grosse erreur de Pichou qui avait bien qui avait bien sauté d'abord dans, dans son espace personnel, puis comme vous l'avez dit, hein, qui viennent, dépendre, qui viennent descendre avec les bras. Et là, on commence à regarder les, fautes, hein, le total des fautes de son côté. Thérèse <laughs> Togling, même pas mal. Mais au Congo, c'est pas une faute, hein, les amis, ça je peux vous le dire. Hein. Oui, mais bon, <laughs> Stoglin, il n'a pas eu mal. Il a fait trois pompes avant de se relever. On retrouve l'Américain sous la ligne de lancer franc. Lui qui est de retour à Salé, qui jouait cette année au... en Irak qui est revenu avec l'équipe il y a, pareil, hein, que, quelques semaines. Et ça vous montre aussi toute l'importance de cette Basketball Africa League pour des joueurs, même pour des joueurs américains qui ont connu euh, le championnat universitaire ou, ou quelques, quelques courts instants en G-League ou, en Ligue du développement. Adelis face à Scobie justement. s'est bien ressenti qui n'est pas réglé, hein, qui n'est pas du tout réglé avec son shoot longue distance là. le pied, Assez méconnaissable pour l'instant. Ah, Alors qu'on demande un hein. changement. Et déjà plus tout obligé, Oui, oui, à trois fautes, il est obligé de sortir. On ne prend pas de risque du côté du raid. Et, euh, ah, c'est très intéressant. On voit Boukichou qui lui dit Regarde la différence de taille. Regarde. Et ah voilà, il est servi tout de suite. Il y a une différence de taille sur KG et tout de suite. KG, il est petit, mais c'est un rock, attention. En revanche, Walker qui n'a pas fait l'aide complètement et qui se fait piéger dans son dos. Mais voilà, en tout cas, ça, ça avait été scouté, hein, ça, par. Euh, par Liz Mills. On l'a vu parce que tous, ce sont dès que KG rentrait sur le terrain, tous ont fait le même signe. Que ce soit Kourou, que ce soit Boukissou Elle les bonnes mains encore une fois. De Kureishi. Stoglin, au oh, physique, les bonnes mains de Denis. Assez, assez euh, convaincant à Denis pour l'instant. Il ne fait pas tout bien, mais, mais ses choix sont, sont remarquables. on en échec. Et ça repart de l'autre côté. Que de rythme, que de rythme. Et par contre, ça a touché la planche, bien sûr. Ça a touché la planche. Le ballon va être. Euh, le panier va être accordé. qui discute. Euh, j'aimerais bien que <laughs> ce, tir soit. Ah, mais il doit l'être. Réglementairement. Après, ça dépend du momentum de la faute. Alors, il n'y aura pas panier. Il y aura deux lancers. Et toujours ces problèmes d'adresse sur la ligne de lancer franc. Et moi j'aime bien l'attitude de Boukichou, c'est un des derniers arrivés dans l'équipe. Mais c'est lui qui essaie un peu de rameuter, de regrouper, euh, de faire prévaloir le collectif. Ça c'est positif. Bah, il sait de toute façon que s'il n'y a pas de collectif, il ne sera jamais servi à l'intérieur. <laughs> Vous connaissez le problème des, pivots hein, qui, jouent avec les oh. solistes. Vous êtes de mauvaise langue, vous voulez dire qu'il prêche pour sa paroisse, c'est ça Non, pas du tout, pas du tout. <laughs> Et là par contre en revanche, c'est très bien fait de la part de, de, killer bah, J'aime beaucoup son match pour l'instant. Il est assez propre, il est assez propre dans sa façon de jouer. Ouais, sans être éblouissant, Stoglin. Sanction, <laughs> réponse immédiate. <laughs> on se croirait sur un playground à New York, dans le Queens. Attention parce que là Stoglin est en train de commencer à prendre chaud, il, a, il est pas loin de la barre des 20 points. Et KG les appuis pour sortir Boukichou. Là par contre, Boukichou l'a cueilli. Chiaka ah, ils n'ont pas vu, ils n'ont pas, points. Et voilà, il va falloir le servir un petit peu plus parce qu'il a la main chaude. Terence Stoglin déjà 22 points pour lui. Temps mort logique, temps mort logique pour le règle là, qui vient de se prendre un bon éclat de la part de la Salé. C'est un éclat, ça fait plus 9 mais il n'y a pas forcément plus de jeux collectifs pour l'instant. Oui, bien sûr. On l'a dit sur le talent, sur le talent, on peut gagner un match, mais sur la durée, d'un tournoi, ça peut être un problème. L'adresse en tout cas de Stoglin qui, fait du bien dans ce début de troisième carton. Deuxième réussite consécutive hein, pour lui. En deuxième mi-temps, <laughs> bout qui célèbre. <laughs> On voit Robert Pack Junior du côté du Reg à l'écran Vous êtes plutôt du côté de la salle et vous par contre Jacques ah, j'ai fait les deux, j'avance tellement vite que vous ne pouvez pas me déplacer. Ah, bah, vous, êtes plus vite que, euh, vous allez plus vite que votre homme. c'est pour ça. exactement. Bon, bien sûr, vous vous rendez compte du côté de, la REG, on est en train de, parler de défense. C'est le troisième temps mort où le coach Pack les incite à revenir en défense. Si vous n'avez pas, si vous n'avez rien à voir avec le rebond, sprintez en défense. Ne revenez pas sur votre homme, mais revenez sur un homme pour pouvoir couvrir justement cette première contre-attaque. C'est ce qu'on voit du côté de la SAE, ça chute très très vite. Et là, je crois qu'il commence à être un petit peu euh, à bout. Et bien sûr, du côté de la Salé, e, eh ben voilà, on, est, on, est en train de nager avec la vague, tout simplement. On veut continuer à punir l'équipe adverse offensivement et en courant. Et avec Boukichou en plus au rebond, ben ça, c'est en train de tourner dans le bon sens. Oui, ils jouent sur leur qualité, hein. grosse défense et puis derrière, ça court. Tant qu'on ne peut pas faire de la circulation de balles, on ne peut pas faire du jeu collectif, on peut s'asseoir sur une bonne défense et du jeu en transition, ça peut suffire. Cleveland qui résiste à Boukichou, waouh, waouh, waouh. Impressionnant Cleveland sur l'action qui est resté trois quarts d'heure en l'air. Traction arrière vraiment séduisante hein, du côté du Reg entre Cleveland et, Adonis. Mais j'aime bien l'esprit de sacrifice de El Masbahi qui s'est mué en meneur de jeu pour l'instant pour Stoglin. Tellement important d'avoir un pivot capable de passer comme ça, de fixer, de servir eh quelqu'un qui comme cut. disait, comme disait Jacques, il palme le ballon et derrière c'est beaucoup plus facile avec le poignet. mais moi c'est une chose que je connais pas, je peux pas tenir un ballon comme ça, Malik. <laughs> Adonis à 3 pour le step back. Dedans pour oh. Adonis. <laughs> On assiste à un beau duel là. Ça se rend coup pour coup entre Adonis et Stoglin. voit ici. <laughs> ça se parle, là hein, ça se parle, ça trash talk. Adonis. Tu vas voir, tu vas voir ce que je vais te mettre là tout de suite. Déjà 10 points pour lui, pour l'américain. Retour de Wilson, Chobozois. Almas Bay Boukichou. À l'intérieur, Courdou très, très bon sur la de position. Très bonne lecture de Boukichou très bon jeu de passe, de bonnes mains. Et vous avez vu, Jacques, ça joue grand. On a deux postes 5, un poste 4 sur le terrain côté salé. Ouais, exactement. Ça, joue comme les Cleveland Cavaliers. Hein. ça, revient à la mode de avec Mais en plus de ça, vous voyez Bukichu qui est en train de coacher son équipe sur justement ce, mouvement de passe. Il est on sait, on est point center. Voilà. Et le Big Naja, ah ça c'est mon bébé qui rentre. Ça. Big Naja <laughs> rentre, ça c'est magnifique. Alors Nazag, il peut prendre feu en tête de raquette à 45 degrés. C'est sa position préférentielle, ça. Ouais, c'est là, là qu'on voit toute la, profondeur intérieure. Bien joué, Stoglin. C'est vraiment des, long de points. Ouais, des, fondamentaux incroyables pour Stoglin. Un, un, footwork très intéressant, mais toute la profondeur intérieure de cette équipe de Salé. Il y va tout seul, il y va tout seul encore Cleveland. Ah, c'est vrai qu'ils ont trois extérieurs qui ont beaucoup, beaucoup de vitesse. Mais à l'intérieur, ils sont punis, les joueurs du REG. Elmas Bailly qui va chercher la faute. Il y a une sorte de travail de sape entrepris par la, Salé depuis le début du troisième carton. On va chercher les fautes, on va essayer de fatiguer un petit peu, de, pilonner un peu la raquette. Pour l'instant, le REG répond à trois points, mais est-ce que ça va durer Non, non, mais surtout, ils, sont, ils viennent de rentrer dans la pénalité. Quatrième faute collective contre le reste. pour Aichi pour Naja qui touche son premier ballon réel à l'intérieur. Bien sûr qu'il va y aller tout seul. Il est très très court. Le ballon lui est resté dans les ongles. Blanc. à l'écran de KG. À l'opposé, Adonis. KG qui a ce, qui a ce shoot à mi-distance. Ça, c'est un truc qu'il possède. Il manque peut-être un peu de taille, ce shoot-là à 3-4 mètres, c'est quelque chose qu'il maîtrise très bien. surtout un gros, un gros abattage euh, du combat. Très bon esprit, et l'étagé Togin, pas droit. Shaoui Kouraishi c'était pas loin. C'était osé, Oui, c'était osé. <laughs> Ah, bien, fait ça. Adonis qui va chercher le contact. Et bien sûr, Shaoui Raichi dans son exercice préféré, le fait de se plaindre je suis un peu mauvaise langue, mais euh, suivez-le du regard, il est toujours, même quand le coup de est contre lui, il n'est pas d'accord. Pour lui, il n'est pas d'accord. Ah ouais, bah. mais C'est un, joueur attachant, bah, on le voit d'ailleurs à l'écran. Ah, le grand sûr Il vient surtout de commettre sa quatrième faute. Aussi. C'est aussi pour ça qu'il n'était pas content. 4 pour Chiaka, 4 pour Kouraichi. On va les laisser en route on on s'effrant. Voilà, on le voit, on le voit ah, pester, pas content. On retrouve Adonis Filler sur, sur la ligne de lancer franc. Et c'est encore Boukichou qui le calme sur le banc. Jacques nous en avait parlé, mais franchement, euh, c'est un très très bon partenaire. Almas Bailly. Sobin. 4 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. De l'intensité toujours. Oh, une petite manchette là. Il n'a pas été si plus court. Nous passer sur son premier pas. Ah, ça manque de réussite. là, ouais. Oh, aïe, aïe, aïe, Là, la, cheville a tourné un petit peu le genou. Ça a l'air d'aller pour Almas Bailly. On sait qu'à lui qui avait été tant frustré d'être blessé lors de la saison 1, qui s'était blessé dès le premier match. Ah, ça réclame une faute antisportive sur le ralenti, je pense, Kelly Mais bon, les arbitres sont cléments. Retour d'Aruna sur le parquet, un petit peu en travers en première mi-temps. Amadou Aruna. On ne l'avait pas encore mis dans le troisième carton, on n'a toujours pas vu Massa non plus. Et lui par contre on le voit, Walker dans ce match. Gourdou. Gourdou encore en échec, ça fait deux fois consécutivement. Oh, Eli et qui met par terre Naja. <laughs> Adonis qui évite le shoot, qui refuse le shoot de Canova pour Walker. 4 points consécutifs pour lui. Waouh, la verticalité de Walker, c'est quelque chose. Et ça permet au Reg de revenir. C'est une succession de runs en fait. La SALE a son run, le Reg a son run. Temps mort dans cette partie. nous voyons une équipe, euh, nous avons, nous avons 66, 60, euh, 5 un match serré un match très serré un ah, ah, très intéressant très intéressant troisième carton c'est un match serré c'est c'est que on, on voit aux États-Unis ici les matchs sont trop serrés dans les quand c'est quand il y a, y a le temps de playoff les gens les matchs sont serrés comme ça bon je vois que la l'AS est quand même oh, ils ont très ils ont trois joueurs je pense qu'ils ont les les il y a trois joueurs dans leurs équipes qui font partie de l'année passée les meilleurs joueurs Alvaro Calvano Massa, eh, qui a transféré de Mozambique, et nous avons aussi Aruna, euh, qui est le numéro 10, euh, et puis Terrell ah, tu ah, je rappelé Ali, c'était le meilleur joueur de la Ligue de l'année passée, Basketball Africa League, hein. c'est un joueur qui est confident, tu vois comment il joue. Tu, sais, quand, tu as le moyen pour pouvoir attirer ce grand euh, joueur de, des équipes ou soit d'un tournoi, tu, vas te faire, dire, repérer... Euh, par des équipes et euh, le scan report, comme on le dit, euh, ce monsieur, il est très et, c'est le meilleur joueur de, ce tournoi. Donc, on ne sait pas s'il va être encore cette année, mais il me semble-t-il que, ouais, mais il me semble qu'il va venir être le meilleur marqueur de ce match qu'on est en train de suivre, Absolument. L'équipe rwandaise quand même est décidée aussi à reconnaître qu'ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Nous vous revenons à Dakar. Un point d'avance pour l'AS Salé, 3 minutes à jouer dans ce troisième carton. Coglin passé sur son premier pas, à ligne de fond, la faute de Wilson Chobozois. On continue de jouer grand côté salé avec Enalja et qui joue et en plus Alvaro Massa qui joue toujours dans un poste 3. La structure de cette équipe est quand même étonnante. Toujours pas de meneur et de chaque côté toujours pas le joueur de la NBA Academy qui est rentré va falloir y penser. je vous confirme, messieurs, que ces joueurs doivent avoir au moins 3 minutes de eh jeu. Ah comme vous l'avez bien remarqué, ça commence à, avoir un certain poids dans la rotation parce que là, il ne nous reste plus que 13 minutes. ce qui n'est pas facile pour les deux équipes aujourd'hui, c'est que leurs deux joueurs de l'académie sont des meneurs. Ça fait partie du cahier des charges. Et faire rentrer un meneur totalement inexpérimenté dans un match comme ça, ce n'est pas facile. Ah, ça aurait dû être fait il y à, première mi-temps, au, pire des cas. Maintenant, vous attendez. Les, deux coachs sont en train de jouer, bien sûr, pour gagner. Mais à mon avis, ils ont un petit peu euh, perdu leur carte. Nadja qui se bat au rebond, c'est Aruna qui s'en saisit finalement. Bon, 3 contre exploité. Stoglin totalement ouvert de l'autre côté. À 3 points pour l'Américain en échec, le rebond pour Cleveland. Ça fait très très vite. Adonis dans corner. Catch and shot très convaincant aujourd'hui Malik, je sais pas ce que vous en pensez. Ah, c'est un très très bon joueur, très très bon joueur. De très bonnes jambes surtout. 14 points pour lui, 9 passes hein, déjà. Oh la dureté défensive délicagée, malgré son manque de centimètres, c'est impressionnant. il est très physique sur ses jambes, comme vous voulez dire, Malik. Il est puissant, vous voyez sa poitrine. Les épaules, c'est la troisième fois que Boukichou essaye de le poster. Et la troisième fois que Boukichou euh, tente d'être un scoreur et termine en tant que passeur. Là, la dernière action, finalement, c'est une perte de balle. Retour d'Elmas Bailly à la place de Nadja. Adonis, justement. Wilson Chobozoa, très très court. Et c'est Massa qui s'empare du rebond on, ne l'a vraiment pas beaucoup vu dans le jeu, Massa. Hein. Vraiment pas beaucoup. heureusement, Massa, il faut regarder ses stats. Hein. Si vous voulez le voir euh, sur un terrain, faut juste regarder ses stats. Le voici, justement, à 3 points, l'espagnol, un peu long. Il est capable de passer inaperçu et quand vous regardez la feuille de stats, vous il faites... était ah Il était dehors, Cleveland. Il est quand même à 13 points, Alvaro Massa. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, non, je ne parle pas de son. Euh, le tableau d'affichage là-haut annonce 14. Je ne sais pas si à 13 ou 14. On n'est pas d'accord visiblement. Il me semble qu'il était à 13 même. ça c'est pas mal avec euh, Boukichou en relais. Le rebond offensif pour Boukichou. Dans le corner, El est totalement ouvert. Il y va tout seul avec la planche. Il trouve un très bel angle. Et encore cette main qui se décale en jump hook, cette fois-ci avec la planche. La main palmée, comme dit Jacques. Et ça fait mouche vous l'offre celui-là, Malik. Je prends. <laughs> On est en train de garnir notre répertoire d'expression, c'est bien. Etienne, il m'a piqué le moteur qui chauffe, mais bon. Nous sommes un bio, Malik. <laughs> Tout ce qui est à vous est à moi et inversement. Exactement, communauté de biens. <laughs> On voit ici, Boukichou, qui attaque palmée, le cercle. Qui vient se décaler pour aller tutoyer le plexiglas. Techniquement, c'est fort. On retrouve Wilson Chobozois sur la ligne de lancer franc. Moins d'une minute à jouer. Et tout reste à faire. tout, reste, à faire. 70 partout. Et le règle peut même passer devant. On a un match d'attaque quand même, parce qu'on se rappelle que hier, le Duc a inscrit 70 points. Contre 85 pour le Slack. Je pense qu'on sera bien au-dessus aujourd'hui. a déjà en cumulé, on sera bien bien au-dessus. Aruna, à l'image de son match, un euh, petit peu brouillon. des bonnes intentions. Il y a trop de gros caractères, il y a trop de mangeurs de et c'est très compliqué. Je le disais, sur le talent, oui, ils peuvent gagner, mais c'est pas très très beau à voir jouer pour l'instant. Adolis. Plus de, plus collectif côté REC pour l'instant, c'est assez évident. Et tout ça avec Anzeye hein, complètement en travers. Chobozois, lui, il est pas mal aujourd'hui, comme souvent, mais là, il est dehors. En revanche, le ballon dans les mains de la Salle et du coup, 33 secondes pour proposer quelque chose. Il restera une possession derrière pour l'équipe rwandaise. Aruna, encore une fois, mal embarqué. et c'est Jean-Jacques. Très bien défendu là de la part de Jean-Jacques. Ouais, c'est pas un bon jour pour l'instant. Pour Aruna, ancien joueur des FAP du Cameroun. Lui qui est du Niger d'ailleurs. Il a un body language qui n'est pas très positif je pense que tout le monde devrait prendre l'exemple sur Bouquichon qui lui pense plus à l'équipe. À ah, Denis, lui aussi, il pense à son équipe et pour l'instant il la porte. Et ça fait deux points de plus. Et le règle passe devant Entre les portes du salon, il est passé. Et, l'interception de Jean-Jacques. Jean-Jacques ça sera manqué. 72, 70. L'addition a failli être plus lourde à l'approche du quatrième carton. La Salé a bien débuté le troisième carton, mais c'est complètement... Quel match, quel match compétitif, 70-70 partout. 72, 72, 70. L'équipe rwandais a pris un tange de deux points à la fin du troisième quart-temps. Nous voyons les deux équipes veulent gagner ce match-là, Ali. Tu sais, le match a commencé avec cette intensité que la NBA a jouée pendant toutes les périodes et les tournois ici aux États-Unis. Pour moi, ce qui est important, c'est de voir le dernier carton qui va se jouer maintenant dans quelques minutes. Qui va être le leader et qui va venir changer son système pour pouvoir gagner son match. Pourquoi Parce que maintenant, on a un match serré à 72 et puis à euh, 70. Timothée, je veux venir envers vous euh, par rapport à ce match qu'on est en train de suivre maintenant. On a vu que l'équipe rwandaise a dû venir se et ils ont fait des changements techniques pour pouvoir dire, euh, arrêter euh, ce contre-attaque qui venait de l'équipe marocaine. Qu'est-ce qu'on peut voir euh, après euh, ce, ce, ce dernier carton qui va commencer bientôt ben, on, <clears throat> on, devrait voir l'équipe euh, euh, rwandaise poursuivre sur cette même lancée, à savoir casser le jeu de l'AS Salé et de son côté mener des actions offensives pour augmenter son, son, nombre de points. dont 70 à 72, les l'écart est vraiment étroit. Ça montre que les, les, deux équipes ont chacune euh, pris la mesure de l'autre mhm. et, et, que ce quatrième carton va être très engagé. Carton de la vérité. Voilà, parce que la victoire peut aller dans un camp comme dans un autre. absolument, absolument. L'équipe marocaine quand même est décidée. Nous voyons l'équipe, euh, les joueurs terrels et Terrell Slogan, euh, le le meilleur buteur de l'année passée, il, il, est très bien décidé. On a vu l'année passée, il a très bien délivré dans les situations comme ça, dans les matchs. Et nous voyons qu'il est, il se, il L'équipe, l'équipe marocaine est prête à commencer ce quatrième carton pour pouvoir venir dire attaquer, attaquer, attaquer. Et maintenant, on va voir ce que l'équipe rwandaise va pouvoir faire. S'ils vont arrêter euh, ces attaques qui vont venir envers eux. Et euh, c'est intéressant. On va voir si ce match va finir à 100 points ou soit et plus mais on va repartir à Dakar. Merci. Alors là, on est reparti avec une équipe un peu plus classique, un poste 4, un poste 5. Boukichou et Gourdou. Et oh oh sur la poste oh, Quelle action Oh my oh goodness il a dû perdre quelques cheveux là, Boukichou. Autrement, c'est pas possible. regardez, Eli au rebond foncé. Pour Adonis. Waouh, waouh, waouh. L'alerte top immense pour oh, Walker. le pétard. Le pétard. Regardez-moi ça, regardez-moi ce pétard. Oh, oh, oh. ce qu'il lui met, ce qu'il lui met. L'action de ce début de compétition pour l'instant. Waouh wow. Immense action pour Walker. Alors là, on avait vu le dunk d'Aruna Kigali. là, il va rester dans les mémoires. Hein. pour' nous, pour Stoblin. Allez, il faut répondre, il faut répondre. sur la prise de position, sur le mismatch. Stoglin qui sort. Adonis. Poncho Bozois. À mi-distance, bien joué. Jean-Jacques, qu'est-ce qu'il est juste aussi lui aujourd'hui. Ça joue bien, ça joue vraiment bien côté règle.